forum du studio le forum du le forum forum forum Bonsoir à tous, il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques, de débat et de dialogue sur des questions d'actualité ou de société diffusées par 38 radios partenaires couvrant toutes les 8 régions du Niger. 28 ans de démocratie au Niger, quelle avancée, c'est le thème que nous vous proposons aujourd'hui. Le 29 juillet, c'est en effet la journée de la démocratie au Niger pour rappeler l'ouverture de la conférence nationale souveraine de 1991 tenue au Palais des Sports à Niamey. Un peu plus d'un millier de représentants des couches socio-professionnelles du Niger avaient participé aux travaux qui ont duré trois mois et cinq jours pour aboutir principalement au multipartisme et à la libéralisation du secteur de l'information et de la communication. Au cours de ce forum, nous tenterons de voir ce que signifie cette démocratie obtenue il y a 28 ans au Niger. Dans quel contexte historique s'est tenue cette conférence nationale souveraine du Niger Quels sont les progrès ou les fruits obtenus à l'issue de ce grand débat Peut-on parler d'avancées démocratiques dans la gouvernance au Niger 28 ans après la conférence. Que peut-on dire de l'école nigérienne s'il faut comparer son état au moment de la conférence et aujourd'hui Pour répondre à ces questions centrales, nous avons le plaisir de recevoir M. Sabo Seydou, ancien rapporteur général de la dite conférence nationale souveraine. Sabo Seydou, bonsoir. Bonsoir et Alhaji Abdou, acteur de la société civile. Alhaji Abdou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Michel Deji. Alajid Abdou, acteur euh, de la société civile, définissez-nous la démocratie, qu'est-ce que c'est et quels sont ses principes pour commencer Bien, euh, merci beaucoup. Euh, pour faire simple, la démocratie, comme on dit, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et le, par le peuple, c'est-à-dire euh, il appartient aux citoyens d'élire leurs dirigeants et de les renvoyer. Les principaux piliers de cette démocratie sont la bonne gouvernance, la transparence, la séparation de pouvoir, Parmi les trois pouvoirs, l'exécutif, euh, le législatif et le judiciaire, ce sont des pouvoirs indépendants et aucun de ces pouvoirs n'a d'injonction à faire sur les autres. La redevabilité, parce que les gouvernants ont ce devoir de redevabilité envers les citoyens qui les ont élus et qui peuvent les renvoyer. Et la démocratie, c'est la justice, c'est l'équité. Donc voilà ce qu'on peut retenir euh, pour faire simple de ce que c'est que la démocratie. La définition de la démocratie, le pouvoir donc euh, du peuple, par le peuple et pour le peuple, une définition de Abraham Lincoln. Et cette démocratie, Monsieur Sabou Seydou, dans quel contexte elle est intervenue au Niger ou dans quel contexte historique s'est tenue cette conférence nationale souveraine Bien, merci. Vous savez, concernant les contextes historiques, il est toujours question, quand on en parle, d'un choix de contexte. Pour moi, il y a lieu d'abord de mettre l'accent sur euh, la particularité du Niger lors de l'accession à l'indépendance entre griffes. Vous savez, c'est l'un des pays où la France a dû utiliser des moyens de force en Afrique occidentale française pour faire accepter le oui à De Gaulle. Et dès cette époque-là, la France a pratiquement soutenu un parti au détriment d'un autre. Le parti soutenu, c'est le PPN. -RDA. Le PPN RDA hum. contre le Sahaba de Jibou Bakari. Euh, les deux pays où le nom allait l'emporter, si les choses avaient été, je dirais, normales, c'était la Guinée et le Niger. Il euh, y a des choses historiques à voir, il y a des ouvrages qui sont écrits. Pratiquement, <laughs> on parle de beaucoup d'urnes qui ont été mises dans le fleuve. Toutes les urnes euh, de Tierra, notamment, de, Tessawa, etc., etc., zone sawabiste par excellence, toutes ces urnes ont été déversé dans le fleuve pour proclamer le oui à De Gaulle. Et en même temps, entraîner la répression contre le sort. Ça, je crois que cet, cet élément-là, il ne faut pas l'oublier. Deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, le PPNRDA a pris le pouvoir s'est transformé en parti unique. Et au fur et à mesure, des failles sont apparues entre le PPNRDA et la France, je dirais entre Jury et la France, sur des questions de géopolitique, vous savez, la France impérialiste a tout fait pour que le Niger soutienne la rébellion du Biafra. Au Nigeria. Au Nigeria. Mhm. C'est à l'honneur de Diori d'y avoir refusé. Ça, il faut le noter aussi. Et noter aussi que l'un des chefs d'État qui était le plus en pointe avec ses termes sur la détérioration des termes de l'échange à mhm. l'époque, dans le tiers-monde en général, c'était Diori. Notamment sur l'uranium. Ce contexte-là, il ne faut pas l'oublier aussi. Maintenant, vous savez, eu le coup d'État de 74. Politiquement et idéologiquement, le coup d'État là, ça a été, je dirais, l'œuvre du mouvement estudiantin qui était contre l'autoritarisme du régime de Jody et qui a dénoncé, entre autres aussi, la situation de famine. Ce sont les raisons essentielles que les militaires avaient avancées pour prendre le pouvoir. Kayankaha, on en était là. Les mêmes causes produisent les mêmes effets vers la fin du régime de Kunchi. Déjà en 82, il y a eu ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel mhm. qui veulent tout, tout, simplement en résumer c'est l'abandon par l'État, je dirais, de toutes ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire ce qui va devenir la libéralisation du système scolaire. Les quelques unités économiques, euh, les gens de la Banque mondiale et le pouvoir a accepté que bon, l'État doit s'en dessaisir. Donc, c'est tout ce contexte-là qu'il faut retenir et retenir en nuançant sur le fait que le mouvement démocratique du Niger là avait sa source interne parce que les syndicats dès 85, surtout en 86, nettement en 87, se sont démarqués, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, du régime en place. Ils avaient de plus en plus une liberté de manœuvre. Et vous savez que ce sont les syndicats qui ont été le fer de lance du mouvement pour la démocratisation. Maintenant, ce qui est intervenu en 90, ça a été une coïncidence entre un mouvement interne qui était à l'œuvre, et maintenant une volonté externe, ni de la fin de la guerre froide, de la volonté euh, à ce que d'associer beaucoup plus de, gens plutôt à la gestion des États, donc euh, ce ressenti au niveau des puissances euh, dominatrices comme la France, mm-hmm. et un mouvement interne qui aspirait à la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qui est né de l'un de, 90 là, non. C'est né à l'interne et autour des syndicats. Et euh, c'est tellement vrai qu'à un moment donné, lors de la conférence nationale, <laughs> certains journalistes de RFI traitaient <laughs> le, mouvement des Nigériens de vagabond. J'ai oublié le terme exact. Quoi. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas pris cela dessus. Tandis que plus ou moins dans les autres pays, Bon, c'était euh, essentiellement mené par euh, les associations des professions libérales, genre avocats, etc., etc., qui ont des acquaintances avec euh, les, avec des gens à l'extérieur, etc., etc. Au Niger, non, c'était dans le mouvement syndical, autour du mouvement syndical. c'est ça la spécificité. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en, avant. Mm-hmm. Et ça a comporté et la qualité de ce mouvement-là et de vous On parle aussi du mouvement du 9 février 90. Euh, oui, quand je dis euh, dans le mouvement syndical, il s'agit essentiellement euh, du mouvement des travailleurs, mhm. des enseignants et des scolaires. Les trois. Les trois. Mhm. Alors, Jidi Abdou, acteur de la société civile, pensez-vous que le Niger avait fait le meilleur choix en optant pour la démocratie à partir de cette conférence nationale souveraine Bien, merci. Euh, je pense qu'il faut effectivement souligner ce que le député vient de dire, euh, parce que les gens ont tendance à faire croire que nous sommes entrés dans ce processus démocratique du fait du contexte international. Le contexte international a coïncidé, comme il l'a souligné, avec un problème interne. Il avait souligné que les programmes d'ajustement structurel, les PAS, avaient débuté dans les années 80, en 82. Pourquoi Parce que la gestion était catastrophique. Et il l'avait souligné dans les années vers en 1986, 87. Je pense il est mieux placé. Je pense qu'il y a un congrès du Sénat qui avait commencé à poser le débat de la démocratie véritable parce que effectivement on ressentait les effets des programmes d'ajustement structurel. Et dans les années 90, le problème a commencé à l'université, suite effectivement aux conséquences de ces programmes d'ajustement structurel qui s'inclinaient à travers euh, un projet 1, 2 et 3 de l'éducation. Et ces projets-là, ils visent à quoi ces projets disent qu'on est endetté, on ne va plus financer l'éducation. Et on va même faire économie, parce que c'est à ce moment apparu le vocable de double flux ou double vacation. Donc tout le problème a commencé et les étudiants avaient eu écho du document et ils ont compris que ça ne va pas. Il y a une situation grave qui est en train de se produire et il faut se réveiller. Et à ce moment, les étudiants se sont réveillés les scolaires se sont mis. Déjà, les enseignants avaient perçu le problème et le SNEN avait déjà commencé à poser le problème. Et suite, évidemment, au mouvement du 9 février où des étudiants ont perdu la vie, pratiquement, le problème a pris une ampleur et surtout les syndicats, effectivement, surtout les travailleurs et les scolaires en général, évidemment, se sont accaparés du mouvement et on a posé maintenant en plus parce que suite aux événements de 9 février, y avait la justice qu'on demandait aux victimes. Et maintenant, on a posé clairement le problème de la démocratie, le problème politique. Et c'est comme ça, on a abouti effectivement à, à cette conférence nationale. Et cette conférence nationale, je pense, il y a deux indices. Pour permettre aux gens de comprendre, le premier indice, c'est l'éducation. Qu'en est-il aujourd'hui si vous comparez l'éducation en 90 et aujourd'hui C'est que aujourd'hui c'est pire qu'en 1990. Deuxième aspect de la conférence qu'on peut retenir, c'est vrai, il qualifiait notre conférence de mouvement de Bado. Voilà, c'est ça. C'est normal parce qu'ils n'ont aucune emprise. Dès lors qu'ils n'ont pas emprise, ils peuvent la qualifier, la discréditer parce que l'esprit c'est de la discréditer c'est qu'elle a posé le problème de souveraineté. Parce que les gens en ont assez des injonctions des institutions de Bretton Woods. FMI, Banque mondiale, ils sont venus, ils ont imposé pratiquement tout ce qu'il faut faire. Et finalement, euh, l'école était dans une situation euh, où il faut agir. Et les gens ont agi. Et les gens en agissant aussi, on a élargi le problème au problème de la souveraineté pour que le Niger recouvre sa souveraineté et décide pour elle-même, pas sur injonction de qui que ce soit. Voilà les deux éléments fondamentaux et qu'il faut apprécier et qu'il faut comparer. Dans les années 90 et aujourd'hui, c'est à ce moment on pourrait comprendre s'il y a avancé ou s'il n'y en a pas avancé. On reviendra sur l'aspect éducation, mais est-ce qu'il faut alors dire que le fait d'avoir opté pour euh, la démocratie est déjà une bonne chose ben, en Non, la démocratie, c'est le, meilleur des systèmes. Parce que la démocratie garantit cette transparence. La démocratie garantit la séparation de pouvoir, la démocratie en général mmh. garantit une certaine redistribution des richesses la démocratie peut être un préalable au développement. Donc, le problème de l'option, c'est un choix délibéré. Les gens savent les conséquences, effectivement. Mais le problème qu'on a, c'est que, bon, on avait l'option de la démocratie, mais on n'avait pas pensé. C'était la démocratie libérale. Nous le disons, c'est la démocratie bourgeoise. Mais on a estimé que c'est mieux quand même que la dictature mais on n'a jamais pensé que l'argent pourrait jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui dans notre Merci. Sabo Seydouan, ancien rapporteur général de la conférence euh, nationale souveraine, comme dans un mouvement d'ensemble, plusieurs pays francophones d'Afrique ont tenu leur euh, conférence nationale presque euh, au même moment. Alors, l'événement de cette démocratie a-t-elle été véritablement l'expression de la volonté du peuple nigérien ou plutôt une exigence de l'ancien colonisateur ou encore les deux étaient liés Bien, moi je pense qu'il y a eu une coïncidence au Niger. Il y a eu une coïncidence entre un mouvement interne et maintenant une volonté externe. Maintenant, est-ce que c'est la volonté du peuple Je pense que oui, parce que euh, les systèmes qui étaient imposés, les systèmes des partis uniques, disons, avaient atteint, je dirais, leurs euh, leur limite interne, comme leur limite extérieure. Je vous donne euh, une simple chose. Vous savez, quand on parle de l'esclave, souvent il faut parler aussi du maître, c'est-à-dire quels sont les devoirs du maître à l'endroit de l'esclave pour que l'esclave reste esclave. Mm. Je ne sais pas si je me fait comprendre. Tant que le maître arrivait à satisfaire les besoins élémentaires de l'esclave, très souvent l'esclave ne remet pas en cause sa condition d'esclave. Il ne se sent même pas esclave parfois. Voilà mais à partir du moment où le maître s'est révélé ou se révèle incapable de satisfaire les besoins élémentaires, eh, de plus en plus, euh, l'esclave remet en cause la position du maître. Tout à l'heure, on parlait du plan d'ajustement structurel. Les plans d'ajustement structurel, en faisant que nos États reviennent sur l'éducation, reviennent sur, euh, si vous voulez, par exemple, euh, le contrôle des prix sur les marchés, par exemple, reviennent sur les codes de travail. C'est ça qui a fondé toute la fronde contre ces autorités-là. À partir du moment où elles ne peuvent plus faire ce que normalement elles devraient assurer, <laughs> les jeunes, de plus en plus, se sont estimés libres par rapport à eux. Donc, il y a euh, cet aspect-là dont il faut tenir compte de ce qui s'est passé je dirais, dans les pays francophones, parce que c'est pratiquement dans tous les pays francophones où, euh, si vous voulez, il y a eu ces, plans d'ajustement structurel, mhm. ces mouvements pour les conférences nationales. Bien entendu, avec, euh, du les limites que ça a posées dans certains États ou dans certains pays où ça a avorté, où, euh, comment on appelle, les, les pouvoirs en place étaient suffisamment puissants pour torpiller les conférences, genre à l'époque Zahir, genre Togo. Vous savez, la conférence euh, du Zahir, euh, bon, en a fait ce qu'il veut. Euh, tout autant qu'au Togo, l'autre, l'autre Adema, en a fait pareil. Bon, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, disons, ça aboutit à une guerre. Congo-Brazzaville. Disons, c'est cet aspect-là qu'il faut voir. L'autorité ou les États n'étaient plus à même d'assurer le minimum ça a été à la base de la Merci. Et là, Jidi Abdou, dans quel sens peut-on alors euh, aujourd'hui parler d'avancée de la démocratie au Niger, 28 ans après son avènement Bien, depuis qu'on a euh, lancé dans ce euh, système de démocratisation, parce que nous sommes toujours au stade de démocratisation, on a connu trois coups d'État. Dans la sous-région, il n'y a pas un pays qui a connu trois coups d'État. Quand on fait le choix de la démocratie, et qu'on revienne dans les coups d'État, c'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui en 2019. En 2019, il y aura des élections générales en 2021. Le consensus traditionnel qui caractérise la loi électorale au Niger n'y est plus. Vous avez un pan de la classe politique qui conteste la loi électorale et tout ce qui découle de cette loi, la CENI par exemple. Vous avez, entre autres conséquences, le fichier biométrique, on a effectivement euh, désigné l'opérateur. Un pan de la classe politique ne sait pas de quoi il s'agit. Un pan de la classe politique ne comprend rien du tout du processus qui est mis en place pour les élections de 2020. En quoi on peut parler d'une avancée d'une quelconque démocratie Souvent, les gens parlent de la liberté d'expression. Les gens oublient que bien avant la conférence nationale, quand le ministre disait sans embâche, les enseignants se démarquaient du régime en place, en 89, c'est ça l'année de la décrispation. Mais les gens avaient la liberté. Et en ce moment aussi, il y avait la liberté de presse. Il y avait des journaux. La seule différence, maintenant, c'est le nombre qui se multiplie. Donc, on ne peut même plus vendre ça maintenant. Ça existait en 89. La démocratie, c'est la séparation du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette séparation Les affaires récentes, je prends l'affaire dite de permis biométrique, où le ministre se réveille le 15, il prend un arrêté, et le 22, il dit, il va appliquer son arrêté. Et il a écrit sur l'arrêté que cet arrêté sera publié au journal officiel. Lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est parce qu'il y a une procédure qui permet aux citoyens effectivement de connaître la loi. Donc une loi n'est opposable aux citoyens que quand elle sera publiée au journal officiel. Et quand elle est publiée au journal officiel, on donne 15 jours. C'est durant ces 15 jours on estime que les citoyens sont capables de prendre connaissance. Il le fait ça là. Ça c'est de la démocratie. Deux, vous avez suivi récemment un point de presse de la Halcia où il relève ce que les citoyens avaient toujours relevé et que le gouvernement a fait sourde oreille. Aujourd'hui, dans notre pays, contrairement aux années 90, la nouveauté, c'est que l'argent est roi et à l'impunité du pouvoir. Le pouvoir public est le pouvoir d'argent. C'est cette impunité-là qu'on a toujours dénoncé et continue à dénoncer. Et s'il y a impunité, c'est qu'il y a la faiblesse d'un pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et s'il y a faiblesse du pouvoir judiciaire, c'est que la séparation du pouvoir n'est pas garantie. Vous vous souvenez On a demandé, la justice a demandé à l'exécutif qui a transmis à l'Assemblée pour qu'on mette en accusation deux anciens ministres et qu'on lève l'immunité d'un parlementaire le Parlement a refusé. En refusant, il fait obstruction. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, ce n'est pas de la démocratie. L'austérité, là, qui était à la base de la fronde, qui a amené les citoyens à la conférence nationale, elle est pire maintenant. Maintenant, l'école est par terre. Dans la loi de finances 2018, on a même taxé les cahiers. L'austérité est pire maintenant aujourd'hui, c'est la marchandisation de l'éducation. On ne parle plus de services, d'usagers de services en termes de l'éducation ou de la santé, on parle de clientèle. En quoi nous vivons la démocratie La souveraineté qui était un des éléments qui a caractérisé notre conférence nationale. Vous avez combien de bases étrangères au Niger aujourd'hui Vous avez au moins trois bases étrangères au Niger en quoi le Niger est souverain et en quoi nous sommes dans une démocratie véritable. Ce qui a amené le commencement du problème qui était l'injonction des institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, on ne respire que le FMI et la Banque mondiale. En quoi nous sommes souverains en quoi nous sommes démocratie lorsque les citoyens avaient organisé des manifestations par rapport aux lois de finances 2018 et 2019 et que le gouvernement fait sourd oreille. En quoi nous sommes dans un régime de peuple pour le peuple Dans une démocratie, on écoute les citoyens. En quoi on écoute les citoyens Même les fondamentaux de la démocratie, les élections transparentes, inclusives, Maintenant, il y a des nuages sombres qui planent sur cela parce que en l'état, un pan de la classe politique conteste la loi électorale et la CENI et tout ce qui découle de cette loi électorale. Hmm. En quoi on peut parler de la démocratie aujourd'hui En quoi Et contrairement aux années 90, la corruption maintenant s'est installée. Maintenant, la corruption, c'est à grande échelle, c'est à l'échelle industrielle. En quoi nous vivons une démocratie ce sont ces éléments-là qu'il faut comparer à cette période-là et à les relevant, il appartient aux auditeurs de faire tirer leurs conclusions eux-mêmes. Monsieur Seydou, Idi Abdou a montré beaucoup de points faibles 28 ans après cette démocratie. À votre niveau, pendant ces 28 ans, est-ce que vous avez constaté des avancées visibles L'avancée la plus notable à l'issue de la conférence et de la transition, mhm. c'était qu'il y a eu des élections transparentes. C'était ça la première grande avancée qu'on ait eue. Parce qu'en termes euh, socio-économiques, on n'a pas touché. Maintenant, ça, là, ça a continué. Et c'est ça aujourd'hui qui est remis en cause, c'est-à-dire le bilan le plus important de la conférence nationale et du mouvement démocratique. Si vous voulez, c'est le bijou de famille, si l'on pourrait dire. Vous savez ce que c'est qu'un bijou de famille C'est le bijou le plus précieux qu'on met au fond de la valise. Et c'est celui-là quand les temps sont durs, c'est lui qu'on met en avant pour pouvoir se machiner. Donc ça, là, dans les circonstances actuelles, c'est euh, remis en cause. Ou en tout cas, c'est en cause. Parce que, si vous voulez, si vous voyez un peu du point de des élections futures, c'est comme une autoroute, <laughs> à la conférence nationale, on avait, et la transition, on avait évité l'autoroute. Ça, je pense que c'est un premier point. Un deuxième point, les problèmes de l'éducation ont été les problèmes centraux du mouvement démocratique. Loin d'être, euh, d'avoir été résolus dans le bon sens, euh, ça s'est plutôt aggravé. Et vous avez des éléments. J'ai écouté la dernière fois les résultats au bac. Jamais il n'y a eu de pourcentage aussi bas que ça. Et euh, vous voulez, les problèmes de l'éducation ont été important parce qu'intuitivement, l'on a perçu que le futur de l'humanité, c'est surtout la question des ressources humaines. Est-ce que vous voyez la formation, etc., etc. Ce n'est pas la question des minéraux et autres, non, c'est les ressources humaines. Et d'une manière ou de l'autre, soit on a laissé la question de nos ressources humaines dans des mains qui ne sont pas les nôtres, soit aussi, ou dans le même temps, on a laissé aller ça, disons, de, plus en plus au bas, au bas. Et je crois qu'on a atteint maintenant un seuil où euh, il va falloir, euh, disons, euh, décider. Et apparemment, ce n'est pas la, conscience de, de, de, tout le monde. Troisièmement, il y avait, si je me souviens, d'autres éléments qui ont été constitués de la conférence nationale. À savoir, vous savez, c'est euh, avec la conférence nationale qu'on a abordé de front les questions, disons, des insurrections ou des rébellions. Plus ou moins, on n'a pas été à même de résoudre ça à la conférence ou à la transition. Ça a été plus ou moins résolu après. Maintenant, ces problèmes-là se sont transformés en problèmes d'insécurité. Et manifestement, ces questions d'insécurité-là, en tout cas, elles ne sont pas résolues de la meilleure manière possible nul ne peut vous assurer votre propre sécurité. Aucun État extérieur, si puissant soit-il, c'est la preuve, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan que les Américains vont conclure tout récemment là. Un peu les problèmes d'Irak là qui sont posés ont démontré que même la puissance la plus militaire, la plus militarisée ne peut pas résoudre les problèmes d'insécurité d'un pays. C'est le pays lui-même, le peuple lui-même qui le résout. Euh, on a l'impression qu'on a, disons, laissé nos problèmes de sécurité à la gestion des bases extérieures. Et vous savez, généralement, ces bases extérieures-là, ils ont leur intérêt, ou ils ont ce qu'ils veulent protéger. C'est pas vous qu'ils protègent. Et si on ne fait pas attention, il y a un délectement qui se passe où, bon, certaines choses sont bien protégées, mais le reste, maintenant, ça va être le machin, quoi, euh, l'anarchie totale. Donc voilà un peu, moi, ce que je, vois euh, comme, problème. Et bien entendu, vous savez, dans une situation comme celle-là, il faut toujours regarder, il y a peut-être aussi, de l'autre côté, des forces qui naissent pour que ça soit autrement. Déjà prendre conscience, de déjà, c'est déjà un élément. Parce que euh, poser des questions telles que, c'est-à-dire une fois qu'on arrive à se poser des questions, à poser des problèmes, on a déjà des solutions. On a déjà la possibilité à ce que d'autres forces se réveillent pour apporter euh, des solutions à ces problèmes-là. dit Abdo a touché à l'aspect des coups d'État au nombre de trois, sinon même quatre, si on ajoute euh, le coup d'État du 15 avril 1974, mhm. avant même la conférence, puisqu'il y a eu le coup d'État de 1974, il y a eu un coup d'État le 27 janvier 1996, mm. perpétré par Barré. Ensuite, le coup d'État de Daoudouma en 1999, le coup d'État de Salou Jibo. Ça fait quatre coups d'État. Comment expliquer le fait qu'en près de trois décennies, le pays n'ait pas pu obtenir euh, sa première alternance démocratique mais euh, d'abord, à partir du moment où vous créez une autoroute pour vous, au détriment de tous les autres, c'est ça une manière aussi de faire un coup d'État. Le coup d'État, ça passe seulement avec l'arme. Le coup d'État, c'est, si vous voulez, passer par des voies illégales, irrégulières, pour prendre le pouvoir. C'est irrégulier que dans un pays où on a habitué à des élections consensuelles, que vous faites des élections univoques. C'est aussi un coup d'État. Alors, concernant cette situation d'être abonné au, au coup d'État, c'est notre réalité qui est que ça tient d'une part, je pense, à la formation politique ou l'idéologie politique. ça tient d'une part aussi au contexte ou à la mentalité, euh, je dirais, euh, nationale. Mhm. Euh, à des rares exceptions près, les gens n'ont pas affronté les tentatives de coup d'État. C'est-à-dire soit parce que celui contre qui le coup d'État est fait a tout fait pour que les gens, en fait, adhèrent au coup d'État. C'est-à-dire, il n'a laissé aucune ouverture. Donc, les gens applaudissent le premier venu, si venu soit-il, <laughs> parce que bon, on dégage l'autre. Ou bien tout simplement parce que le, peuple n'est pas à même de pouvoir contrer ça. à la rigueur, si vous voulez, euh, lors des mouvements démocratiques, durant la transition, on a contré des coups d'État. Le peuple s'est mobilisé pour contrer un coup d'État. Les mutineries qu'il y a eu là, c'est des tentatives de coup d'État. Mais elles ont été contrecarrées. C'est ça que j'ai dit la rares fois. C'est-à-dire qu'il est possible que les citoyens nigériens se mobilisent pour contrecarrer des coups d'État. C'est arrivé au moins une fois. Ça peut arriver aussi une seconde fois. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mettre euh, définitivement fin à cela ah, La première des choses qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire, avertir les gens que, bon, voilà, voilà un peu tel, que les choses se passent, voilà ce qui va arriver. Maintenant, à chacun euh, de, voir se, positionner. Et puis, vous savez, souvent les gens qui sont au pouvoir, ils sont tellement hyper conscients de leur puissance qu'ils font des erreurs fatales et que l'autoroute là, ça peut se transformer en un bourbier. <laughs> Est-ce que vous me comprenez C'est-à-dire qu'ils sont à même de, de produire des gaffes monumentales qui font se soulever, y compris les gens qui leur étaient favorables. Ça peut arriver aussi. Alajidi Abdou, vous avez parlé de l'état de l'école nigérienne au moment de ce débat national et 28 ans après. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors, vous pensez, pour sauver cette école nigérienne Ce n'est pas compliqué. C'est peut-être la volonté politique qui n'y est pas. Euh, pour illustrer effectivement l'état de l'école nigérienne, en fait, on est à la situation des années 90. On a voulu une rupture parce que notre système se résumait à une euh, euh, prolongation, en fait, du système colonial. On n'est pas capable, on n'a pas été capable de faire une réforme pour un système éducatif adapté à notre réalité et qui vise notre véritable développement. Le véritable pilier d'un développement, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium. Ça s'épuise où ça ne se vend pas. Mais c'est l'éducation. Le pays qui n'est pas capable d'asseoir un système éducatif de qualité qui peut lui produire les ressources humaines dont il a besoin pour son développement, son avenir est des plus obscurs possible. Et effectivement, les injonctions des institutions de Bretton Woods ils n'ont rien à voir avec les secteurs sociaux. On vous fait savoir que vous avez mal géré, vous devrez payer votre dette, et ceux qui payent les pots cassés, c'est l'école, c'est la santé, c'est l'agriculture. Pour sauver l'école, c'est simple. C'est comme le ministre l'avait souligné, coup d'État qu'il soit militaire ou par une ingénierie sournoise, il n'y a que le peuple qui peut l'arrêter. Quand le peuple est conscient et qu'il sait ce qu'il veut, il peut l'arrêter, comme on a contenu les mutineries qui devraient se résulter à un coup d'État, malheureusement, à ce moment, pour les auteurs, que le peuple est debout et il sait ce qu'il veut. Et l'élément déclencheur, ce qu'il n'y avait pas des gouvernants qui ont dressé tout le peuple contre eux. C'est ça le véritable problème. Donc, la solution se trouve aujourd'hui, le bilan, les questions qu'il faut se poser, c'est en tant que peuple, qu'est-ce que nous voulons Qu'est-ce que nous voulons Nous pataugeons encore. L'école est pire qu'en 1990. Et nous ne pouvons pas prétendre à un quelconque développement avec l'état de notre système éducatif. On ne peut pas se développer avec des experts de la Banque mondiale qui sont envoyés, tout comme le député l'avait souligné, que personne ne peut garantir la sécurité dans notre pays en dehors de lui. Donc, le problème de l'éducation, nous devrons reposer le débat. Et en posant le débat, parce que le fond du problème, le commencement de tous ces mouvements, c'est la question de l'école. Et la question de l'école est pire qu'en 1990. Donc, il appartient au peuple nigérien de poser la bonne question et de trouver la solution. Parce qu'il faut qu'on pose la question. Quand on pose la question, le problème est à moitié résolu. Il faut donc euh, trouver la solution par rapport à cela. Monsieur Seydou, qu'est-ce qui devrait être fait et qui ne l'est pas encore par rapport à cet aspect sur l'éducation sur, sur l'éducation, comme je vous disais, c'est une question pour le présent et l'avenir. Et que c'est ça la question décisive aujourd'hui dans le monde, la question des ressources humaines. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'il n'y a rien qui puisse être de trop à la matière. Pour prendre des exemples, vous savez, on parle beaucoup de, à côté de nous, de la Tunisie, en Asie, de la Corée et du Japon. Mais c'est des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, genre pétrole, etc. etc. Mais c'est des pays qui, disons, pour enclencher leur euh, développement, leur émancipation économique, politique et tout le reste là, ils ont misé sur l'éducation. C'est la même chose pour nous. Il faut que ça devienne un problème central et au niveau de toutes les structures de l'éducation, c'est-à-dire du primaire jusqu'au supérieur, en faire une, disons un, élément central de notre préoccupation nationale. Il y a aussi la question de l'IDH. Existe-t-il euh, réellement un lien entre l'état de la démocratie d'une nation et son développement socio-économique Vous savez, ça, là à la matière il y a, il y a des contradictions, quoi. Par exemple, un pays comme la Chine. <laughs> L'IDH a beaucoup progressé depuis 1996, mais en matière de démocratie, vous savez <laughs> de, quoi il s'agit. <laughs> D'accord Bon, et puis en plus, dans le décompte de l'IDH à propos de nos pays, là, il y a des critères qui me semblent, euh, disons, quelque peu euh, subjectif inapproprié. L'idée ici, est-ce que si on améliore euh, la bonne gouvernance, euh, la démocratie de façon générale, ça pourrait peut-être euh, améliorer l'IDH Ça peut améliorer dans le sens que la démocratie, ça donne libre cours, disons, à l'initiative, à la créativité des citoyens. Mhm. C'est ça, en, fait, aussi l'un des aspects de la démocratie. Et vous savez, tous les problèmes qui se posent aux sociétés, hmm. tous les problèmes qui se posent aux sociétés, elles ont déjà des solutions à côté d'elles. Mais ce qui manque, c'est un, l'engagement politique ferme pour les orienter, et puis si vous voulez, euh, un peu euh, l'orientation, l'autorité là. Euh, en fait, c'est souvent, elle oriente elle met l'accent sur ceci ou sur cela. Par exemple, il y a des États qui aujourd'hui mettent beaucoup l'accent sur la créativité l'initiative des citoyens. Et ces initiatives-là, ces créativités des citoyens résolvent beaucoup de problèmes de chômage. Tandis qu'il y a d'autres États qui s'en foutent loin qui, disons, on n'en fait que des discours. Euh, au Niger, euh, c'est le cas. Quand vous, euh, quand vous prenez les, problèmes de <laughs> désertification, les problèmes de, l'agriculture, mais pratiquement, il y a toutes les solutions, toutes les alternatives. Depuis 1960, chaque problème, il y a une alternative, il y a, une innovation qui est là. Mm-hmm. Mais maintenant, cette innovation-là, c'est que si vous voulez, <laughs> elle est là, bon, il n'y a, a pas une orientation politique qui l'incite. Merci. le Alors, j'ai dit nous sommes vers la fin de ce forum. Pour terminer, qu'est-ce qui manque euh, en résumé aujourd'hui au Niger pour un bon enracinement de sa démocratie euh, Vous savez, euh, je ne vois les statistiques, surtout les statistiques venant du système des Nations Unies. Vous entendez même ici chez nous, on on est à une croissance à deux chiffres. Mais quel est le quotidien du Nigérien Quel est le rapport entre cette fameuse coursence et le quotidien du Nigérien Le problème fondamental, l'école, elle est incontournable. C'est le préalable. C'est à travers l'école, les gens comprennent. La 7 République, l'école n'est pas sa priorité. Il y a une feuille de route, il y a une feuille de l'INS de 2007 à 2017 par rapport à l'allocation budgétaire du ministère de l'enseignement de base ou de l'enseignement primaire. La septième République était à un moment, elle avait alloué 15,1% au ministère de l'éducation de base. Mais à partir de 2011, cette allocation n'a fait que chuter. Elle doit être maintenant, on n'alloue même pas 8% de nos ressources budgétaires à l'éducation de base. C'est un choix politique. Il y a même un rapport de la Banque mondiale qui dit le choix de la Septième République. La Septième République a fait le choix des investissements publics c'est-à-dire des activités vulnérables à la corruption. Et on a délaissé l'éducation. Maintenant, il appartient au peuple de poser le débat et d'imposer sa préoccupation. On va tourner à rond tant que l'école est ce qu'elle est. C'est qu'on va tourner, on n'aura ni démocratie, on n'aura ni sécurité, on n'aura ni développement. Mais écoutez, il avait souligné un cas très particulier qui puisse méditer la réflexion déjà. La Côte d'Ivoire. En 1960, la Côte d'Ivoire et, la Corée du Sud ont le même PIB. Ils ont la même richesse. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer. La seule différence, c'est l'éducation parce que, en termes de ressources euh, naturelles, la Côte d'Ivoire est plus riche que la Corée du Sud. Pourtant, vous ne pouvez pas comparer. C'est l'éducation qui fait la différence. Le Japon, il est une puissance économique. Il n'a même pas de terre. Enfin, il n'y a que de l'eau. Donc, le véritable problème, c'est l'éducation. Et qu'on repose le débat. Le problème qui nous a poussé en tant que citoyens à aller à la conférence nationale, il reste entier. L'éducation est pire qu'en 1990 et il nous revient. Il n'appartient pas à ces dirigeants-là faut Sinon, il faut donc pas ce choix. Il faut donc sauver l'éducation. Mais on n'a pas de choix. Mhm. Ou on sauve l'éducation, on se sauve, ou on laisse l'éducation à l'État et il n'aura ni éducation, ni santé, ni euh, ressources humaines capables parce que personne ne peut venir développer le Niger à notre place. Merci beaucoup. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème 28 ans de démocratie au Niger. Quelle avancée nous retenons que le pays, après la conférence nationale souveraine, a eu des moments difficiles de coup d'État. Après la conférence, il y a eu trois coups d'État en 96, en 99 et en 2010 et a donc euh, lieu de vite sauver l'éducation afin de permettre au pays de se développer à tous les niveaux. C'est ce qu'ont eu à expliquer nos invités. Nous étions en compagnie de l'ancien rapporteur général de la Conférence nationale souveraine, Sabo Seydou, et l'acteur de la société civile, Elagidi Abdou. Nous disons merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du forum de Studio Kalangu. Au revoir.